faut ñu ñu wax rek parce que fi la bok. Euh, mois bi xatna programme yi bari na machallah mais mais ñu ci baña a ñëw ndax ñom suñu suñu famille lañu ku kuma xam-xam mak famille euh, Abdou Aziz Mbaye depuis fàttalikul doom donc euh, loolu lu yàgg la. ñoom ñii laa koy way ko seen papa. mu neex lool <laughs> ma séré la. mu ne ko mu neex lool taal ah, donc mu mu nekk lu am solo donc euh, ayca. li ma gën a ragal mooy ngeen yàq sama gannaaw. gannaaw jantan bi sona du ma mën a def dem. li ma fi bàyyi bariwul jëm leen ko ak ta sakana la ko ngir samay sët di seen doom. suma sañoon bay da Aziz Baay kër moo di bàyyam pour ndey mati maay indi góoru ay da maama ti bokk Abdou Aziz Baay moo di bàyyi fën soor mbay daane Cheikh ah ah nekk bay sa ñoom su amee sa doom moo lay gën nit ku nekk gunal gunal gunal gunal gunal gunal xale la xale la xale la xale la xale la xale la xale la xale gune la may son may son mooy Doudou Mbaye li ma di ñaan mooy sama doom a ngeen juboo yunus ak Ibu sakho adam ansor mbaye ali don Yevan yeewan ni gisuma yunus ak fàttalikul Yen ngeen juboo Sax eh li ma mën a nekk na ngeen bàyyi xel ci sama wax ji le mu yàgg yàgg bu leen fàtte ni bàyyi ndenkaane na jërëjëf waaw ah, kontaan nat na trop trop trop ah li mo mënut ñak ah gis ngeen way bi yag na trop trop trop trop mais sen papa la koy way ko suma suma suma dom Mansour Mbaye donc moy frère ma ñew fi fekk fi ah, sen yaay di nit ku baax vraiment nit ku bax ko xamni muñul na sen papa mo ngi nekk lool mais mom daf ci am patch bu reey reey parce que ku xam Abdou Aziz Mbaye xamni

mais là année bi xajuñ sax ci salle boobu loolu yëpp c'est parce que quand même amna lo prouvé am na wane ñun ñu am confiance jox la suñu doom man ngi ko doon wax légui madame Faye Maniko vraiment man kontaan naa kontaan trop et chaque fois buñu amé ay réunion sa dañ koy waxat pas man rek mais au nom de tous les parents donc ça revient souvent les gens sont rassurés man bi may indi surtout sécurité bi mo taxone ma indi xalé parce que souvent dañuy am ay jank ñukay garder mais da ngay dem do am confiance mais là depuis ma indi ko man Cheikh mi autonomie bi autonomie lek lek mom donc même jank fa ñu ne ah Cheikh day lek deux ans la mais lool mi ngi ko def depuis bi mu amé un an di lekal bopam autonome même bokay jox sax day mer di xataray limay wax toujours moy que peut-être yaa ngi doon wax self confident bi ngay wax ci xalé yi bon day tax daf ñuy gëna a sonal kër ga <laughs> parce que day bëgg defar lépp bopam day am confiance ci mom mais je pense que c'est une bonne chose et que c'est à nous de canaliser nga won ñu nan lañ koy defee ak yoy loolu lay wax souvent mais vraiment content nañ té xamna xalé tamit impatient nañ nañ passé ci cadeau <laughs> allez merci Tamat. donc ki né mom mo yónnee joxe ngant euh, euh tantam mu ngi nalé taxaw Tata Khoudia Tata Khoudia Nya, euh, moom moo ñëw représenter si jaaga euh, muy euh, Fatou Jaaga Diouf vraiment mu am fu ma teg nak mom tamit am na lool fu mu ma teg jaaga xam na ni coon sama càmmeñ la woon ba bërki démb bi ma demee këram di ko ko wax dafa ni ma Aïcha caatam bu jigéen bi ni ko kii sa bàjjen la bis buñ lay takk sa bàjjen bi mooy taxaw donc loolu nag nekk loo xamante ni lu dugg ci sama biir xol bi la ki ne mënoon na ni man kat damay tëju mais ne fu ma ko nee nii téléphone ñëw na fii sax xam nga ko namuy genn rek muuru yëpp mun ma dem naa ba foofu ñu ne ma dem nga Amérique donc kooku aussi maa ngi koy gërëm di ko sant ni ko kóllëre gi incha allah tant que maa ngi noyyi ci kàttanu yàlla dinaa ko doxal sama digganteeg moom. bonjour. Une, deux, trois. Bonjour. Comment ça Are you right? We. are so happy that my here today. Mm. My here today. Yeah. My here today. Mm. We are so happy that my today. Uh. today. Yeah. Today. We are so happy that my here today. Yes.

Oui. Ngoại. Anh ngoại. Ờ. Très bien. Tàcc leen li waay li neex la waay tàcc leen li waay. Yeah. À <laughs> On a été très heureux parce qu'on a passé un bon moment et c'est toujours un plaisir d'assister à ces genres d'événements euh, qui euh, permet aux petits-enfants justement de passer euh, un bon moment. Alors, Matika Kesh moi je fais partie des, disons, des rares personnes qui ont cru en elle avant même qu'ils ne songent à mettre en place cette structure. Euh, il est arrivé, je pense, vers les années 2019 ou, début, ou fin 2018. On s'est rencontrés sur un plateau. On a échangé sur la problématique euh, de la petite enfance. L'idée, c'était de voir un peu l'expérience qu'elle a pu acquérir euh, depuis les États-Unis. Comment faire en sorte qu'on puisse avoir ce genre de modèle au Sénégal Et je pense que c'est à ce niveau qu'elle a pensé mettre en place cette structure. Et aujourd'hui, on est en train d'assister à un travail remarquable qu'elle est en train d'abattre, elle et tout son staff. Et euh, à travers cette cérémonie, on a pu quand même assister à des prestations de, haute facture, ce qui nous a justement rassurés en tant que parents. Donc euh, le choix que nous avons porté sur cette structure, euh, je dois dire qu'aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté qu'on a assisté à cette cérémonie. Et voilà, avec cette prestation d'un grand artiste, comme vous l'avez dit tantôt, Alun Binder. Euh, on s'en félicite et on encourage euh, toute l'équipe, n'est-ce pas, à la tête euh, de laquelle il y a Tata Mati, qu'on l'appelle affectueusement <laughs> comme ça, et on l'encourage et on est fiers. Ce sont des prestations qui m'ont rassuré. Vous l'avez mentionné, l'aspect enseignement coranique, ça nous intéresse parce qu'avant tout, on est des musulmans on aurait souhaité, tout le monde souhaite que son enfant puisse au moins un jour réciter le Coran. Si on a la possibilité aujourd'hui que cet enseignement puisse être dispensé dans cette structure, c'est une aubaine pour nous. Et également, l'autre aspect, c'est l'anglais. Moi qui vous parle, il m'est très difficile de, m'exprimer dans cette langue-là. Si aujourd'hui on a la possibilité d'avoir Mati qui dispense, n'est-ce pas, euh, cet outil qui est devenu aujourd'hui incontournable ça veut dire qu'aujourd'hui, nos enfants ont aujourd'hui la chance, n'est-ce pas, de pouvoir euh, côtoyer cette langue qui, à la limite, pourrait également les aider dans leur vie euh, professionnelle. On leur souhaite en tout cas de terminer euh, en beauté leur cursus et arriver à d'autres stations, d'autres niveaux. C'est en tout cas globalement une satisfaction que nous avons sentie lorsque nous avons assisté à cette cérémonie. Et comme je l'ai dit tantôt, nos encouragements vont l'accompagner. Nous serons également derrière elle pour que euh, cette belle expérience puisse également bénéficier, euh, puisse être bénéfique pour les autres enfants parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, la perspective, c'est qu'on arrive à avoir ces genres de crèches un peu partout, n'est-ce pas, dans le pays parce que, comme je l'ai dit, elle a pu acquérir pratiquement plus de 35 ans d'expérience aux États-Unis. Aujourd'hui, nos enfants ont cette possibilité de pouvoir, n'est-ce pas, avoir euh, un enseignement de qualité euh, calqué de ce modèle euh, américain qui est aujourd'hui dispensé au Sénégal. Nous sommes plus que satisfaits de cette, de cette belle prestation dont l'initiatrice est Madame Ndaïma Timbay celle qui a initié Matika Crèche au Sénégal. Elle a acquis beaucoup d'expérience aux États-Unis. Elle aurait pu rester et profiter des dollars, comme on le dit, mais elle a préféré rapatrier son expérience au pays pour la partager avec la jeunesse et l'enfance et les enfants de tout le Sénégal. Une telle initiative doit être soutenue et appuyée par les autorités de ce pays. Quel que soit l'investissement qu'on puisse faire sur les infrastructures, la meilleure des investissements pour une nation, c'est de s'engager dans l'éducation des enfants car ils constituent l'avenir de la nation. Et ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. Et comme je le disais tantôt, le président sud-africain Tabombe qui disait l'avenir d'une nation dépend de la manière dont celle-ci traite ses enfants. Et Mariamba disait tantôt que les enseignants constituent une armée noble aux exploits quotidiens jamais chantés, mais qui partout où elle passe sème le drapeau du savoir et de la vertu. Khekh du Tabakh Reu, mer du Tabakh Reu, Kham Kham donc si nous que di def ci influence négative ci les bu bi yu dugg donc ça c'est quelque chose une initiative que l'on salue qui mérite d'être vulgarisée à Dakar et dans toutes les régions du Sénégal afin que la jeunesse sénégalaise puisse en bénéficier. Nous lançons un appel aux parents pour qu'ils s'approprient cette initiative parce que c'est une école polyglotte. On les a vus parler, euh, chanter en français, en anglais, en arabe, parce que le Coran est écrit en langue arabe. Donc ça également, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et dans un monde qui est en pleine mutation avec la perte des valeurs, nous ressourcer, aller à la source, nous abreuver des livres saints, du Coran, de la Bible, c'est quelque chose qui me semble salvateur par rapport à l'avenir de nos enfants. Lui, il me plaît de dire que, en fait, euh, un sentiment de satisfaction et de fierté euh, l'année dernière, à, cette même période, nous étions là, mais nous étions dans une salle de classe avec une douzaine de parents. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes là sur la terrasse avec une cinquantaine de parents. Je vais dire Alhamdoulilah d'abord et dire que seul le travail paye. Parce que nous, ne faisons pas de publicité. La seule publicité, euh, c'est en fait euh, les, le bouche à oreille. Un parent qui m'appelle pour me dire tel parent m'a recommandé son enfant est chez vous. Donc, vraiment, je dis à Matika Crèche et à l'équipe, parce que ce n'est pas moi, c'est Matika Crèche, c'est une équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour en arriver euh, au résultat que vous avez vu aujourd'hui. Euh, c'est les maîtresses, les éducatrices, même celles qui euh, font la cuisine, tout le monde, même le vigile qui est devant la maison, tout le monde participe à Matika Crèche. Euh, nous avons un oustas aussi, que je vais remercier au passage, qui s'appelle euh, Monsieur Nian. lui aussi, il fait, partie de l'équipe pédagogique, parce que l'éducation, c'est un tout. Alors ici, nous avons les langues. Les enfants apprennent trois langues. Il y a l'arabe, euh, bien sûr, et le Coran. Il y a l'anglais et il y a le français. Donc ce sentiment, vraiment aujourd'hui, je ne peux que remercier le bon Dieu pour en fait, euh, tout ce beau monde savent dire que nous faisons du bon travail. Mais cela ne veut pas dire que nous allons dormir sur nos lauriers. Non. Aujourd'hui, euh, il me plaît de dire aussi que nous avons cravaché, nous allons encore faire davantage, nous allons faire des innovations parce que c'est comme ça. Matika Crèche, en fait, c'est des innovations et c'est des recherches. On ne s'arrête pas aujourd'hui au programme que nous avons aujourd'hui, non on fait toujours des recherches, on fait toujours des innovations pour le bien-être des tout-petits, qui sont nos amis. L'enfant est un apprenti de la vie, un apprenti de la société. Alors nous, adultes, qui avons déjà appris, qui sommes déjà dans la société, euh, je pense que c'est nous qui devons être les modèles des enfants. Et ici, c'est en fait la philosophie de Matika Crèche. Soyons les modèles des tout-petits. Ils imitent, c'est de grands imitateurs, les enfants. Donc si nous modelons, en fait, euh, un bon comportement, l'enfant limite. Euh, si nous, modélons un comportement autre, il nous imite aussi. Donc, euh, en fait, nous, nous sommes les, c'est comme l'apprenti tailleur et le tailleur, ou bien l'apprenti menuisier et le menuisier. Le menuisier est chargé de superviser tout ce que l'apprenti fait, en fait, pour le mettre sur les rails. C'est comme ça aussi le rapport que nous avons avec les tout-petits. une belle voix, une très bonne leçon de la vie. En somme, un modèle. Tu nous manques, tu nous manques beaucoup. Repose en paix à paradis.